auditrices et auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de votre rendez-vous quotidien Le hier sur Kalangou. Le rendez-vous de l'équipe du studio Kalangu qui vous propose distractions et informations du lundi au vendredi. Et pour ce jour, je suis Olivia Sawavi pour la présentation et comme les l'exige le format, je ne suis pas seul, je suis avec Salamatou Kadri Salut, Comment vas-tu ce matin Je vais super bien, Oli Choco, pareil chez toi aussi. Ouais, tranquille, Dieu merci. Alors dis-moi, il y a quoi au menu du jour à ah, Oli, pour ce rendez-vous d'une heure, nous aurons de la bonne musique du tiroir avec le groupe Tal National pour ouvrir le bal et le reste. Je vous laisse les découvrir au fil de l'émission. Nous aurons également à faire un tour dans la région de Dosso, où l'utilisation du charbon de bois reste toujours ancrée dans les habitudes. Et ce n'est pas tout. Il y aura la rubrique portrait, le loti, la culture linguistique et le traditionnel message des auditrices et auditeurs. Mesdames et messieurs, le Niger Sud démarre avec Nafisa Adamo Sirfo, qui est déjà dans le studio pour le Flash Info. Sirfo, comment tu vas ce matin C'est la pleine forme Tu dis oui, mais ta voix là, Sirfo, est-ce que tu es sûr <laughs> Non, ça va. Et vous, Salam, tout ça va Oui, ça va, Nafis, bonjour. Alors, dis-nous, c'est quoi au menu pour le flash d'aujourd'hui, ce jour euh, 22 mars est célébré la journée mondiale de l'eau. C'est une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau et l'édition 2023 vise à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Nous y reviendrons plus en détail sur la célébration de cette journée au Niger dans notre édition d'information de 17h. Aussi, le comité de pilotage COHO a tenu hier 21 mars sa première session pour l'année 2023, présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre. Il s'est agi au cours de cette réunion de faire le point sur l'organisation du Hajj et de réfléchir sur les orientations à donner pour un bon Hajj, a indiqué au studio Kalangou le chargé de communication du COHO. Pour rappel, le Hajj 2023 se déroulera cette année dans la dernière décade du mois de juin. Enfin, le chef d'État du Niger et de Togo décide de la création d'une commission mixte de coopération et la tenue de sa première session au cours du dernier trimestre 2023 à Lomé, nous apprend l'agence nigérienne de presse. Une décision prise au cours d'une visite effectuée au Togo lundi et mardi par le président nigérien Bazoum Mohamed. Notez que les deux chefs d'État ont également instruit leur ministre en charge de la sécurité et de la défense de se rencontrer dans les meilleurs délais à Niamey en vue d'un partage d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et à ceux en charge des transports, du commerce et des finances des deux pays de tenir une réunion dans deux semaines à Niamey afin d'examiner les questions liées au transport transport des marchandises et au corridor Lomé-Niamey. Et c'est la fin de ce flash. Merci Navi Sirfo pour ce flash info. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous êtes dans l'émission Le Niger sur Kalangou, une émission que vous écoutez grâce à nos radios partenaires. L'invité que nous recevons aujourd'hui est un des prodiges de la littérature nigérienne. À son jeune âge, il est déjà auteur d'une œuvre dont, dont on aura la chance d'en parler avec lui. S'il est là aujourd'hui, chers amis auditrices et auditeurs, c'est pour avoir son avis sur l'apport de la langue française. L'invité du jour est Monsieur Mohamed Chérif, auteur et producteur cinématographique. Mais on lit bien avant de commencer de la musique pour l'installer. Et compromis. c'est avec tel National que nous allons bouger d'entre deux jeux.

tay say mana tar ko may hay dugu dugi say ere bor ko lo basi gada bunu bor kay gada nin din ga muri bin masara nin kam man higa ka nin din darsha imir kar ka say munafike yar bayiga aro ay min nodal ha dai da banda bare mai kar ka say aro ay min nodal ha dai da banda bare mai kar ka say alhajo jai hirbayiga amahana baba remo amahana baba remo ai remo ba makaci ba remo ba makaci ba almai da danni mola da mola boga he kun sannai da higa wani turwa wogi ba wogi akamaro guna isiba gakwai ture mana ga gakwai ai da mamma ai bai mushara mama no ba me mes manni ba wala dinde mana ga no ai ga koi bo maradi nahi ga naru isa tulu zubere isa mata da bai aba isa mata da bai bada danga barbai dai ga koi dai haba mana ga saidu zero ta edi bayi tiro shisha do ta higa sule shisha do ide ta higa ko falo si da ko tala ibu na sera ta edi bayi wala man do higa koy alamai do hollo higa ma mamma fofo ergala ma fofo chana abakalla mana ga chana daranzi tero mana harunda tero porfo arani go almaida danni mola de mola boga he gur sakde irma koy uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale ga marguna hisiba alborcin di ga zaga marguna wai bor di ga zaga marguna ai sali ai sabte ne bai adamu mari so wan chorano ki tambo ai de tani bai batura mandigo na sera ten bai daga Allah ne yake bo daga Allah ne yake bo ai ne mata ne bai والله قروفمها بنقى همسة فريوتا زكريا سيد الهدى منافجي الهجوجي مهمان دايزي من تاريكم هي مالكي قاون هيقا طوية أين مالكي قاون هيقا لكن تاني باي إسا هيني تاني باي transitero Harunda kaise kun bebe kunya nobo madina kunya nobo suzu mandigo hadina finga tene bai palamaida danni mola de mola goga he masoud sallai na haga dur hurwa lakke ken ruk ruk ruk hoje bale bale hoje bale bale hoje bale para tribunal wanawula ayo saga margu na hisiba walbinda managa hanayga bahima koy ubakar ballayzo matendi bay azizi illo azizi nahima ce azizi illo azizi tendi bay mena illo masudu wani carano walbinde managa nahiga zumburu mara bi du tendi bay azizi jiri mandigo bani bani bani bani bani bani gurum fama bani marga mar sandezo aiki me wai de tendi bay gurum fama suji ali pulla fofo alamai da dandi mola da mola go gahebo kun sandai dodurwa rakikek rakikek Mounafikaï, c'est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement du groupe Tal National. Tal National est un groupe d'orchestre qui fait bouger avec son rythme endiablé. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le groupe est composé de 10 musiciens qui montent sur scène généralement, mais en réalité, le groupe comprend 17 membres. Il a su créer une harmonie envoûtante où chaque ethnie apporte sa couleur culturel. Le groupe Tal National a un répertoire très riche avec des rythmes qui se mêlent à ceux du rock. Tal National fait partie des meilleurs groupes nigériens qui, dès qu'on écoute le son, bah on reconnaît le pays, on reconnaît le 227, on reconnaît le Niger. Au le 20 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale de la francophonie, une célébration qui regroupe les pays membres de la francophonie, ces pays qui ont en partage la langue française. Environ 321 millions de locuteurs dans le monde, la langue française est la quatrième langue d'Internet. Pour revenir sur la place de la langue française dans le partage des savoirs, nous avons l'écrivain Mohamed Chérif. Mohamed Chérif, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin Je me porte à merveille. La première fois de participer à une émission où tu sais qu'on t'écoute en direct, qu'est-ce que ça fait déjà et d'abord, au début, j'étais un peu stressé. Ouais. Mais au fil du temps, je vous voyais à vos aises. Du coup, ça me met aussi à mes aises. Super. Vous l'avez compris, notre invité du jour est un jeune passionné de la littérature. Pour preuve, en 2022, 2021. En 2021, il a fait sortir son premier roman, cubes des flammes, un roman dans lequel il titille un peu les jeunes sur des questions comme le coup de cœur sentimental. Mais aujourd'hui, nous l'avons invité pour avoir son avis sur l'utilisation de la langue française. Et on commence avec cette première question. Et Monsieur Mohamed, que pensez-vous de l'utilisation faite de la langue française dans nos communautés Et je pense que la langue française est mal utilisée ici dans, dans, nos communautés, je dois le dire. Et du moment où on évalue les choses, surtout en milieu scolaire, on comprend rapidement que eh, l'accent est mis sur l'apprentissage, fortement sur l'apprentissage de la langue française. Ce qui veut dire que les élèves ne maîtrisent pas cette dernière. Ils en font une très mal d'utilisation. Et il ne s'agit pas que des élèves, il y a aussi et les étudiants, je dois l'aider et des grandes personnes, parce qu'on a l'habitude d'entendre des gens qui manient très mal cette langue. Donc, selon moi, on fait une mauvaise utilisation. Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons pour cette mauvaise utilisation, selon toi Il y a des raisons. Et au Niger, on ne lit pas. C'est surtout, selon moi, la première raison. Au Niger, ça ne lit pas. Hmm. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez voir eh, un élève, ou bien je dois dire euh, plus précisément un lycéen, qui est en série littéraire. Mais donc, si tu lui demandes quel est ton, ton nombre en ce qui concerne la lecture des œuvres littéraires, il va dire aucun. Ou, tu te dire que j'ai commencé à lire un ouvrage dont je n'ai pas encore fini. Moi, je pense que c'est vraiment le, le manque de la lecture. Hmm. Alors, au fil du temps, le niveau de français dans le langage écrit comme parlé a vraiment évolué et le langage française et la langue française a considérablement évolué. En tant que jeune, mhm. toi aujourd'hui, comment tu utilises la langue française Donc, euh, en tant que jeune, d'utilisation, dont je, je, fais, je fais en ce qui concerne la langue française, déjà, Dieu m'a donné la plume et j'utilise cette langue euh, pour traduire ma plume. Mm. Je m'explique. De par la langue française, euh, je saisis les mots de ma société pour en faire une œuvre enfin d'exposer pour apporter des solutions. Aussi, la langue française est une langue que j'utilise pour classer mes idées, les exposer, et faire la communication et bien d'autres. Voilà. Et aussi, de par la langue française, euh, j'arrive à instaurer une certaine cohésion entre mes proches. Hmm. Voilà. Donc, euh, je pense que nombreuses, nombreuses sont vraiment les utilisations dont j'en fais. J'arrive même à, par moment prendre le dessus où je dois dire euh, être leader au sein d'un groupe, rien qu'à cause du fait que je maîtrise cette langue. Hmm. Je ne dois pas dire que je la maîtrise j'apprends à la maîtriser. Voilà, <laughs> c'est encore mieux, je pense. Merci, merci beaucoup. Alors, Sally Et Mohamed, on parlait à présent des différentes mutations et de l'évolution de la langue française. Mhm. Avec les nouvelles technologies, les systèmes de messagerie ont contribué à faire du français une langue populaire et parfois déformée. Selon plusieurs observateurs, le niveau de français diminue au fil du temps. Avez-vous fait le même constat Tout à fait, j'ai fait le même constat. Et pour être clair, je suis d'avis avec eux. Aujourd'hui, je ne sais pas, ici au Niger en tout cas, et on observe que l'évolution, je dois dire, la, la langue française est les catastrophiques, l'utilisation voilà, de la langue française est catastrophique, voire chaotique. Donc, euh, parce que du moment où vous observez les choses, vous allez voir que le niveau de la langue est, en à régression. Voilà, de ce coin une régression de taille. Voilà. Donc c'est un, constat que tu partages. C'est un constat que je partage. On a envie de te demander aujourd'hui, en tant que jeune, comment tu, milites. Je ne sais pas s'il faut militer ou bien il faut faire un effort pour que les autres puissent euh, bien manier cette langue. Mais ça sera peut-être dans la deuxième partie de cette émission où on va justement parler de ton œuvre parce que mhm. toi, ta contribution directement, c'est que tu as écrit une œuvre qui permet aujourd'hui à ceux et celles qui ont envie de lire, de comprendre, bah, de partager euh, cette passion commune. Et l'heure pour nous, bah, c'est de marquer une pause musicale. tellement des fous, et ceux qui sont sous la rue, ce sont pas des vrais fous. Hmm. Aare goota laga taraa goosuu siimoofa dooluma

wuya shi ka birkita birkita birkita birkita birkita birkita birkita kai yan mata na kallon ka kai kuma kana kallon su guda muska ya tuka musu kai girgiza zigindi dan yaro ka gindi, na iya kai girgiza zigindi dan Allah ka takula gindi sai ka biya ni girgiza na motsa takula girgiza motsa takula takula girgiza motsa takula takula girgiza motsa eh hando fatta aro tela kalfa afonia eh wiza aro sti warega warega warega warega ciso warisi wani warisi nan jama'a sai wani mata mata music shigida shigudu shigida shigudu panda beat take your own. Saudi! DJ Dako! yeah, man. Daga gaya mutu. Bani da wasa. Balle ya balle. Bani bai no follow. Habibu bumbo follow. Aisha tuko ne follow. Rashid bumbo follow. Jarifa bumbo Show Bumbo follow, Look at follow, Zani Bumbo Tani boom follow, At the move a follow. Sulu boom follow, Chacho Bumbo follow, Gona de Nukijasa. Follow, follow. C'était le groupe de H Dako, un groupe composé de Yassid Doka et Abdoulaye Boubé, un groupe originaire de la région de Dosso qui propose depuis plusieurs années déjà un rythme unique, un mélange de soukous et de rumba cubienne. Merci au groupe DH Daco avec cette belle sonorité qui nous rappelle les bons moments entre amis où on oublie les soucis, on se laisse emporter par les mélodies. Dans ce titre, l'auteur aborde un thème sensible qu'est la santé mentale. Et eh oui, Olivier, nous sommes avec euh, l'auteur Shérif Mohamed avec qui nous allons parler de la langue française, une langue qui permet la connexion entre des pays de cinq continents, une langue qui est célébrée chaque 20 mars. Et nous poursuivons avec euh, cette question. La lecture permet d'enrichir son vocabulaire. Et vous êtes écrivain, un livre écrit en français. Comment cette œuvre a été accueillie par le public hmm. <coughs> D'abord, le, le des Flammes est, ma toute première production littéraire. De ce quoi, une euh, production publiée en 2021 sur les éditions PSS. Au moment où j'ai le publié, j'avais l'âge de 15 ans faisant de moi le plus jeune écrivain nigérian et le premier à avoir écrit à l'âge de 15 ans. Rien que pour, euh, ces pour, ce crédit, dont mon âge me faisait jure, beaucoup de gens, beaucoup de gens ont voulu payer les livres, le découvrir, enfin de voir ce qu'un jeune de 15 ans peut bien écrire. Et je vous promets, rien qu'en deux semaines, j'avais déjà arrêté 95 ventes. Et Parmi ces 95 personnes qui ont payé, beaucoup m'ont fait des retours de lecture, des retours qui ont été très touchants, très très touchants et qui m'ont donné l'envie de, continuer, voilà, de d'aller en profondeur et de ne jamais abdiquer, voilà, on peut le dire comme ça. Alors si on t'écoute, tu nous dis à 15 ans, c'est vrai qu'on a déjà eu à faire ton portrait sur le studio Kalangu, mais aujourd'hui, privilège de donner à ceux et celles qui écoutent cette émission de comprendre comment a commencé cette aventure, cette passion pour toi. À 15 ans, c'est quand même encore tôt. Et pourtant, tu l'as fait. Félicitations à toi. Alors, comment ça a commencé Donc, euh, comme je, venais de le souligner, déjà, je suis un épanché de la littérature. C'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère depuis mon jeune âge, euh, chez moi, ça lisait beaucoup. Voilà. C'était aussi hein, le rêve de ma maman, hein, de devenir écrivaine, mais dont elle n'a pas pu remplir au vu les engagements qu'elle a envers nous, le travail, tout ça. Là. Du coup, euh, je faisais entre CM1 et CM2. Voilà. J'étais tombé sur un journal qui, lui appartenait. Dans le journal, euh, c'était écrit en première page La traversée nord du désert. J'ai commencé à parcourir et au fil du temps, j'ai compris que c'est une histoire. Le soir, au moment où tout le monde était réuni dans le salon, je me suis dit c'est le moment propice pour lui demander et eh, de m'expliquer ce qu'elle voulait traduire vraiment de, par cette histoire. Elle m'a dit que c'était un ouvrage qu'elle voulait, euh, plus précisément un roman. Je lui ai dit mais pourquoi elle a arrêté C'est là qu'elle m'a expliqué. Hmm. C'est donc je venais de vous dire. Donc euh, c'est depuis le jour-là que je me suis promis qu'il faudrait que j'arrive à vraiment euh, porter ses titres dont elle, elle a abandonné rien que pour notre éducation. Exactement. Je lisais beaucoup, beaucoup. Voilà, parce que je pourrais même dire que. Euh, oui, mon nombre, mon nombre, euh, mon nombre de lectures, ou bien je dois dire le nombre d'ouvrages dont j'ai à lire, vraiment, si j'arrivais à les dire, il y en a qui ne vont pas me quoi sérieusement. Donc j'ai beaucoup lu. Plus je lis, plus je prends le goût. Exactement. C'est ça. Plus je lis, plus je prends le goût. Mais l'apprentissage du français est-il pour vous un apprentissage facile Donc, euh, le français, d'abord, c'est une langue facile, on peut le dire. Mais c'est une langue très difficile à apprendre. Il faudrait faire la nuance. Selon moi, eh, cette difficulté d'apprentissage du français provient du fait que c'est une, euh, c'est une langue qui, qui évolue au fil des temps et qui s'enrichit des mots étrangers, on peut le dire. Donc, euh, je pense que vraiment, c'est une langue qui est facile à apprendre. Elle est facile. Parce que malgré ses paramètres, du moment où il y a un bon programme d'apprentissage, on peut vraiment l'apprendre facilement. Super. On est à la fin de cet entretien que j'espérais continuer avec toi, mais on n'a pas assez de temps malheureusement. La question c'est de savoir aujourd'hui comment peut-on continuer à promouvoir la langue française selon toi Selon moi, hmm. pour promouvoir la langue française, je pense qu'il faut, il faut faire de la lecture et au sein de notre communauté, ou bien je dois dire euh, et dans tous les pays francophones, une nécessité première, multiplier les activités d'ordre littéraire et faire euh, étendre le réseau voilà, dans tous les espaces, c'est-à-dire euh, dans tous les domaines, utiliser cette même langue dans l'économie, dans tout ce qu'il y a comme euh, activité, je pense qu'avec ça, ça va aller. Merci, monsieur Mohamed Chérif. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ceux et celles qui nous écoutent pour leur dire au revoir donc euh, <laughs> là, je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire parce que je suis ému. Je suis vraiment très content de me trouver aujourd'hui euh, ici avec vous, monsieur Olivier et je me rappeler <laughs> Madame Salamatou. Madame Salamatou. Donc, euh, je suis vraiment très ému et le message dont j'ai à, passer aux personnes, différentes personnes qui, nous écoutent, c'est de vraiment essayer de lire. Parce que moi, je pense que tout c'est tout de la lecture. Parce que la lecture a fait en sorte que j'ai vraiment une certaine maîtrise de la langue française. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la langue française m'a pratiquement tout Merci beaucoup. Et nous, on profite pour saluer la maman qui nous, nous <laughs> écoute probablement. <laughs> Merci, Mohamed Chérif, d'avoir accepté d'être notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Chers amis auditrices et auditeurs, nous allons à présent poursuivre avec la rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Oui, Olivier, qui dit environnement parle de tout ce qui nous entoure, l'eau, la terre, le vent. Pour pour aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec euh, le colonel Madougou Ibrahim, pont focal de la Convention Ransal au Niger. Au micro de Rahilatou Soumana, il nous a édifié sur les conséquences de certaines pratiques de pêche sur les ponts d'eau. Pour parler du fleuve Niger, il y a certaines activités illicites euh, qui, se pratiquent euh, là-bas, comme par exemple l'année dernière vers Gaïa où on a appréhendé des personnes qui déversaient du poison pour euh, capturer des crapauds. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ce genre euh, de pratiques. Euh. C'est des pratiques que nous avons constatées. Des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont même pas des Nigériens, qui viennent pour exporter ces marques. Et malheureusement, ils utilisent des produits nocifs pour euh, non seulement les crapauds, mais également pour l'homme. Parce que les gens boivent de l'eau qui n'est pas potable. Et là, comme vous le dites, il y a eu des saisies. Et personnellement, moi, j'ai assisté aussi à ce genre de saisies, notamment au niveau de Gaïa, où nous avons interpellé des gens qui le font. Malheureusement, c'est une chaîne il va falloir démanteler cette chaîne-là qui se trouve non seulement au Niger, mais aussi jusqu'au Nigeria. Parce qu'ils disent que ces grenouilles s'achètent mieux que le poisson. Donc pour eux, c'est une activité lucrative, donc il va falloir le temps nous appuie dans ce sens. On le fait vraiment volontairement. Donc le service de l'environnement de Gaïa et des autres départements et communes également, vraiment sont à pied d'œuvre pour démanteler ces malfaits parce que vraiment il s'agit d'une activité néfaste à l'environnement de manière générale, à l'homme. Ils sont arrêtés et ils sont traduits selon la procédure à la justice le produit il est confisqué et détruit parce qu'il s'agit déjà d'un empoisonnement. C'est vraiment un empoisonnement, donc c'est pratiquement tout ce qui est vivant qui meurt. Donc c'est pas uniquement les grenouilles, c'est-à-dire les micro-organismes qui servent d'alimentation aux poissons ou aux autres organismes là, notamment les oiseaux meurent. Et là, tu vois, c'est toute la chaîne alimentaire qui est attaquée. Et nous mettons la mairie pour traduire ces délinquants à la justice. À part cette façon de faire, est-ce qu'il y a d'autres espèces euh, aquatiques euh, interdites de pêche que les gens capturent pour leur euh, commerce Généralement, la pratique la plus néfaste, c'est l'utilisation des scènes qu'on appelle candy candy ou des éperviers au niveau de plein d'eau. C'est des engins qui sont à petite maille, depuis que même un dos de, fois ne peut pas euh, rentrer. Donc, ils utilisent sur des pleins d'eau et là, ils ne, donnent de chance à aucune catégorie de poissons. Donc, que ce soit les alevins, que ce soit les géniteurs mâles et femelles sont carrément et simplement raclés. Et là, c'est une pratique néfaste parce que là, bon, je ne dis pas que c'est à l'image de l'empoisonnement du site, mais quand même, ça s'assimile à un empoisonnement parce que c'est pratiquement aucun individu ne reste dans l'eau. Là, vraiment, euh, la loi s'applique, la loi interdit l'usage de ces deux engins, notamment la scène et les parvis. Parce que tout simplement, en général, c'est des, des engins qu'on utilise pendant la période de mars à avril où il n'y a, a, pas beaucoup d'eau. la conséquence de cette pratique À un moment, le plan est vide d'eau. Généralement, comme c'est des plans d'inondation, vous allez trouver à, une période de l'année, mars, avril, où il n'y a pratiquement aucun poisson. Rien ne bouge au niveau de, ce plan d'eau. Maintenant, il faut la saison de pluie. Quand le lit mineur il est alimenté, c'est en sens-là que les autres poissons donc, qui qui le fleuve, donc se retrouve là-bas encore. Ici, je reviens sur un exemple euh, pratique de gestion de ces zones de pêche par euh, un village dans la zone de Gaïa, Albacais, un village vraiment, ils ont une méthode locale de gestion des ressources où ils empêchent à tous de pêcher dans les plans jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire que depuis la fin de la saison de pluie jusqu'en avril, personne ne touche. Et ils ont un système de rotation pour vérifier, pour faire la police entre eux, hein, vraiment, pour empêcher à ceux qu'on utilise les engins pour travailler au niveau de ces marais. Maintenant, à l'approche de la saison de pluie, ils fixent une date où les pêcheurs, ils viennent, ils viennent même du Niger, mais ils paient une petite taxe pour venir pêcher. Donc, et là, ça profite à tout le monde. On fait appel à tout le monde, à tous les villageois qui sont riverains, qui sont, ils viennent et puis ils pêchent, ils payent une taxe le village profite, il y a un pourcentage pour le village, il y a un pourcentage pour la commune, et il y a un pourcentage aussi pour le niveau central, donc pour l'État. Et là, vraiment, ouais, avec cette stratégie de gestion durable de ces zones-là, tout le monde se retrouve et la ressource, elle est préservée, l'écosystème aquatique est également préservé. Merci colonel Madougou Ibrahim pour ces précisions qui nous ont fait comprendre l'impact de certaines pratiques de pêche sur nos vies de la pêche à la musique. Je ne sais pas si la transition est possible, mais chez nous, on tente tout et je vous laisse écouter cette belle mélodie pour que vous puissiez juger vous-même. Yeah, ya ce gonna. dai soja ni soja soja birgin soja marmari daga nesa bindiga tira ku yi haki a soja ina ka fitan tallafi dubun ka fitan yi bura ya karuwa mai wanke dauda na sani na gaishe ka na yaba akwai alheri kalar mutum kalar kaya soja wane rabo da rigar soja mai aro bai hasa soja wane mutum da kakin soja daga yau sai mata sai mu da ke taba muku wasa tasar na gaishe ku emiji sai kallon leka farnan da zuko bai goma tawale na canzan leka in kiske metin sai kalamu tawa gai da sista tawa na tari na gaishe ku na akwai alheri ku ba komai kowa polis sai na gaishe ku barbaja yi polisu kadar na gaishe ka baka da tsoro waye da babu ruga Notre troisième choix de la journée, c'est Kukanzaki de l'orchestre Colombo de l'Aïr. Kukanzaki qui signifie le rugissement du lion. Dans cette musique, l'artiste chante le courage de l'abnégation de nos soldats, ceux et celles qui se battent sur les champs de bataille pour défendre la patrie. Nous continuons ce numéro de notre aventure Le liseur sur Kalangou. Chers auditrices et auditeurs, vous écoutez ce numéro grâce à nos radios partenaires. Et pour nous, c'est le moment de faire un tour en région et notre destination du jour, c'est la région de Dosso. Oui, au lit, direction Dosso, la région de Jarmakoy pour parler d'une pratique qui, pas, qui ne plaît pas trop aux écologistes. La production et l'utilisation du charbon de bois. Dans nos communautés, le charbon de bois est un combustible utilisé pour euh, dans beaucoup de foyers pour la cuisine pour son accessibilité. Aussi, Abdraman s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Le charbon de bois est de nos jours une denrée trop prisée par la population du Niger compte tenu de sa disponibilité et de son accessibilité sur le marché local. Dans la commune de Dosso, le charbon de bois provient de certaines localités environnantes. Haruna Tahiru grossiste, évoque les zones de provenance du charbon qu'il vend. Charbon, ça y aura une coagulation. an foyan kafi an foyan cugudu kwara no ya gazaka. Charbon shabon wata formation no ita ici. formation no ita ici. Charbon oui on do hara zama wata ani wiyan projet projet de n'inga no ogini gini ni matkan no itega ga da turo to no cikan aga oui. iga Hagio Abdou dit que grâce à ce petit commerce, elle parvient à subvenir aux besoins des orphelins dont elle a la charge. explique son choix pour le charbon dans la cuisine du foyer.

Nous, un appelle un peu aux gens donc de pouvoir euh, vraiment euh, respecter nos espèces locales qui sont très rustiques, adaptées à notre milieu et qui nous protègent pour qu'on puisse éviter cette pratique de production de charbon. Il n'est pas interdit d'importer du charbon sans aucune taxe. Donc je crois que si les gens veulent la commodité du charbon pour leur préparation, c'est pas interdit et on peut l'importer et l'acheter et pouvoir faire leur euh, cuisine. Le charbon est certes un bon combustible pour les ménages modestes, mais la coupe de bois constitue une menace environnementale qui, à son tour, se répercute sur l'existence même de la vie dans son ensemble. Monsieur aussi bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous oui, ça va très bien. Euh, monsieur aussi, qu'est-ce qui a suscité les populations à se donner à l'utilisation du charbon de bois alors que le gaz est plus écologiste, c'est-à-dire plus facile à utiliser Exactement, vous savez, euh, la région de Dosso est d'ailleurs la région la plus boisée du Niger. Euh, certaines populations de ces localités-là boisées, donc de la région de Dosso, sont sans revenus. Au fait, euh, ces populations, euh, généralement, c'est après la saison des pluies, donc après les récoltes, que ces populations n'ont pas euh, quoi exercer. Ils n'ont pas un métier, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas une activité génératrice de revenus. Raison pour laquelle ces femmes-là, la plupart, ce sont des vieilles femmes que j'ai rencontrées, exactement qui font ce commerce-là de charbon comme je le disais, euh, ces femmes sont sans activité euh, génératrice de revenus. Euh, raison pour laquelle souvent elles s'adonnent soit à la coupe du bois, soit à l'achat du charbon déjà fabriqué par certains producteurs donc, de la localité. Euh, c'est à peu près ce qui attire euh, ces femmes-là à s'adonner à ce commerce-là de, de, charbon. Et surtout que effectivement ce charbon-là est prisé, il est trop consommé aussi par la population de Dosso, selon que ce soit euh, pour euh, la préparation du thé ou bien dans les ménages comme euh, vous l'avez entendu avec un habitant de Dosso que j'ai pu rencontrer qui achetait donc du charbon. Ce charbon, l'idée, je pense bien, leur était venue du fait qu'il y a des commerçants qui viennent avec du charbon des pays côtiers, notamment le Bénin voisin et le Nigeria. Donc euh, la population de Dosso, euh, à défaut du bois, euh, ça donne effectivement dans les foyers à la consommation du charbon, notamment dans la préparation des mets et de, préparation du thé dans les fadas. Merci beaucoup aussi pour ce beau reportage. On te dit bon début de journée et puis bonne suite de journée, bien évidemment. Merci, merci, merci, merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Ok, excellente journée. Excellente journée à toi et à tous nos correspondants et correspondantes qui nous écoutent actuellement. Le Niger sur c'est grâce à la contribution de nos différents correspondants qui sont dans les différentes régions du Niger. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est le moment pour nous d'accueillir notre chroniqueur sportif, Soumana Amadou. Soumana, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour euh, Salamatou. Bonjour Soumana. Alors, le MENA U23, l'équipe nationale des mondes de 23 ans, joue cet après-midi contre celle du Soudan un match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes euh, Maroc 2024. Oui, après avoir éliminé la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Niger espère pour la première fois une qualification à cette compétition. Contre euh, le Soudan, c'est le dernier virage pour cette qualification. Le match a lieu cet après-midi au stade général Sénécoutier de Niamey suivant Abdou Rafa, président des supporters du MENA. Nous allons jouer ce soir, Inch'Allah, avec euh, une équipe euh, et des jeunes qui se débrouillent chaque fois pour euh, nous rendre heureux, nous rendre fiers. Et comme il y avait eu un, deux, il y aura Inch'Allah troisième contre le Soudan, une équipe que nous ne connaissons pas très bien, mais qui, semble-t-il, n'est pas plus forte que les équipes qu'on a éliminées. Donc pour ce faire, nous pouvons espérer une qualification, en tout cas pour une première fois, du Niger euh, à cette compétition de 23 qui va se dérouler au Maroc. Les joueurs, ce soit des joueurs professionnels qui jouent à l'extérieur, que ce soit des joueurs locaux, tous ont répondu présents sans blessure. La dernière fois, nous avons joué un match contre les Zambiens avec euh, des absents liés donc à leur état de santé ou au ralliement par voie aérienne leur pays hôte à Niamey. Nous pensons gagner avec un score lourd pour euh, être euh, à l'abri. L'entrée pour les enfants, elle est, gratuite. C'est ce qu'on va véhiculer comme information. Nous allons préparer une caravane. Nous sommes euh, à pied On va signer Niamey pour inviter la population de Niamey à venir supporter l'équipe. Eh bien, d'autres informations, Salamatou, cette fois-ci en basketball la finale de la Coupe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. C'était la semaine dernière à Niamey. Ainsi, en dame, victoire de Tim Momo contre Magic Girls 55 à 37. à monsieur AS Nigelec, bas JBS par 55 à 42. Merci Soumana pour ce moment de sport qui fera plaisir à tous nos auditrices et auditeurs fans du sport. Chères auditrices et auditeurs, je sais que vous attendez impatiemment la rubrique portrait. Aujourd'hui, Omar Hama s'est entretenu avec notre confrère Moutari Mahamadou, traducteur en langue Hausa, journaliste et écrivain. Moutari s'est toujours intéressé aux communautés de sa région natale qu'il a décidé de faire connaître au Niger entier. Seulement quelques contraintes le freinent dans l'évolution de sa passion. Un portrait signé Omar Hamma, merci pour ce portrait édifiant qui a fait connaître plus euh, notre Moutari Hamma. Ni da farko dai ina sha'awar yi ma wani abu wanda zai kasance na amfani da al'umma. To shi yasa tun ma ina karatu a matsayin college sai na tafi a Najeriya wanda can na yi karatun Hausa sai na gani da na dawo gida mi zan yi na in taimaka wa al'umma na maimakon in ci gaba da rubutun da na koya sai na shiga aikin jarida ina matsayin mai koyo to haka na ci gaba da koyo na yi shekara da shekaru a cikin aikin jarida to amma babban gurin wanda yana ɗaya daga cikin gurin rayuwa na shine mi zan yi rubuta idan za a dawo baya lokacin da nake eh, wani talabijin ina wani shiri mai suna kundin tarihi to kundin tarihi ya kumshi abin da ya shafi tarihi ne saboda tarihi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar kowa duk wanda bai san tarihin shi ba kamar mutum ne mai tafiya bai san ina zai je ba sai na ɗan mai da hankali akan sanin tarihi na ni da kaina bayan da na san tarihi na sai na ganin cewa su al'umma da ba mai da hankali akan tarihi me ya kamata su yi shi ne ya sa. bayan aikin jarida ina rubutu yaushe ne ka fara rubutu shi fannin rubutu kamar abu ne wanda ya shafi bangaren rayuwana farko ma ba ma tunanin zan zama ɗan jarida ba tunani na kawai zan ci gaba da kasancewa ne marubuci to kenan yaushe na fara rubutu zan iya ci maka abu ne wanda na taso da shi na rubuta wani littafi mai suna tarihin holakawa wata kabila ce da take a cikin yankin Lela Umani a cikin ƙasar tawa ta haɓaka sosai ta taka rawa a zo a gani ta yi jarumta ta yi duk abin da ya kamata na tagirku amma za ka ga cewa yau in ka ce kai ba gobiri ne an san ka in ka ce kai ba hulace ne an san ka in ka ce kai ba zabarman ne an san ka amma su suna dimbin yawa ina faɗa maka a cikin yankin amma babu wanda ya san su me yasa ba a san su ba saboda su da kansu ba su mai da hankali akan tarihin su ba to shine sai Allah ya bani sa'a na yi bincike akan su waɗannan al'umma wanda kuma bayan bincike da na yi na sanin tarihin su Allah ya bani damar ziyartar fiye da gari talatin wanda hakimai ne a cikin ƙasar Ilela. In ka doka a cikin ƙasar Bombay a yankin jihar suna na zube Sai kasance ba a san tarihin su ba. To ni na rubuta wannan tarihi na Walakawa wanda ya kai shafi kusan arba'in har da hotunan na su al'umma yadda suke da garuruwansu duka cikin littafin duk garuruwan na zana. sai da na je na ziyarce su ɗaya bayan ɗaya sannan na zo na kammala littafin wanda ya Allah ya da nan zuwa gaba za a yi bikin kadama da shi. Saboda me kake rubutu malam mutare? Ina rubutu ne saboda kamar yadda na ce maka duk wanda bai san tarihin shi ba kamar mutum ne wanda yake tafiya bai san ina zai je ba so shi yasa na gani cewa ni in kawo gudunmuwata ga su matasan wanda ba su mai da hankali akan tarihin su ba littafi nawa ka rubuta zahirin gaskiya akwai wani littafi da na fara rubutawa da na kai ma mai na shi a can cikin jihar Kebbi da ya karanta shi sai ya ce wannan littafin ya kamata a sa mishi suna matan mutum kabarinsa ka gane tun da shi littafin ya shafi bangaren yanda namiji zai ta gwagwarmaya akan mace har ya kasance koya za a yi da ita ce matar shi to shine farkon littafin da na fara rubutawa wanda ba a fitar da shi ba sai wannan wanda na rubuta mai suna tarihin holakawa yanzu haka ina nan ina rubutun wani littafi mai suna mai nasara wani littafi ne da ya kumshi tarihin wasu al'umma a cikin yankin kasar mu akwai wani littafi kuma da nake tunanin yi mai suna tarihin katamawa wanda su kuma katamawan suna daga cikin abin da nake so na fitar na tarihin garin garinmu dangona sai kuma akwai wani littafi wanda ya shafi eh, rayuwar aljar aljanu misali kamar yadda za a iya fahimtar aljani bayan cikin alkur'ani da aka yi magana shi da cikin hadisai da cikin kisoshi da da aka yi bayanin rayuwa aljanu shi kuma littafin sunan shi kundin tsatsuba su wane ne suka taimake ka kamar yanzu in ka ɗauka tarihin holakawa kamar yanzu akwai irin gurup na whatsapp da ake yi akwai wasu da suna da gurup da ake cima gida amamata holakam shi amamata holakam din nan shine ainihin kakan kakansu wanda ya fito daga turkiya ya zo ya shigo cikin ƙasar adar cikin ƙasar ayir har ya zo ya girku can cikin ƙasar ilela to su da kansu kamar suna da shauƙin su san tarihin su sai kasance duk inda wasu 'yan uwansu suke su holakawan suna cikin wannan gurup to sai kasance da na shiga ciki sai sai Allah ya bani sa'a na cewa suna son sai abu na farko farko wanda suka taimaka min su wannan gurfi na Amamata Holakam wanda suka bani gudunmawa sosai kuma akwai wasu kamar irin tsohon dan majalisa ne da ya taimaka sosai wani matsaloli ka samu cikin rubutun littafi a jimilce matsalolin da na fuskanta mafi yawa rashin tallafi ne kana da gurin kai abu kana da tunani mai kyau a zuciyarka to amma sai kasance wanda zai taimaka maka su ne su kai kaɗan Merci pour ce portrait qui nous édifie et qui nous a fait connaître aussi Moutari Mohamedou. Et nous allons marquer une pause musicale, la quatrième de ce rendez-vous. le

wannan ga na yi ta saboda wanda sun ka sha kawa in kuma ka san ka sha sai ka zo mu taka ba damuwa kana da budurwa ta barka ta kuma baya wani ka kusa shan kawa kana da budurwa ta yi aure ta barka ka sha kawa gaskiya ne ba karya aboki na ya sha kawa a dalilin wata yarinya wani gaye ya ba shi kawa dama ba aure ne ba da sai mu je da shi ba damuwa to wannan karo san mai rabo allura ta riga ta fada cikin ruwa wayo Allah ya sha kawa ta yi aure ya sha kawa ta tarshe ya sha kawa ya shiga ya sha ku bar hodi ya sha kawa ku bar hodi ya sha kawa ce ku bar ya sha kawa ko akida bishi wayo Yasha Kanwa est le titre que vous êtes en train d'écouter de Mohamedou Jibo alias Lamido. Ce titre veut dire tout simplement déception amoureuse ou goumen comme les jeunes aiment le dire. Il est aussi moniteur et dessinateur au crayon. Le titre de cette, de cette chanson de l'artiste Lamido fait partie des chansons les plus écoutées par la jeunesse nigérienne. Natif de la ville d'Ottawa, Lamido est un rappeur très talentueux et très modeste qui chante dans trois langues différentes, Aoussa Foufoulde et le français dès la sortie de son premier single USN qu'il a dédié au monde scolaire. Ce dernier est très suivi par les scolaires qui se disent fiers de ses compositions musicales. Actuellement, il a 16 titres déjà enregistrés. Et à présent, sur la rubrique préférée des femmes du studio Kalongo, une rubrique dans laquelle elle nous propose des conseils sur divers sujets sociaux. Chers auditrices et auditeurs, c'est la minute du loti. Le loti d'aujourd'hui nous parle de l'importance de faire périodiquement la lessive de certains linges de maisons et des conséquences que la poussière et la saleté pourraient engendrer sur la santé. Samira Rouafi et Rakia Harimi. Coq, voisine. Bonjour. voisine, bienvenue, voisine. Comment vas-tu Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vue dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupée par mon boulot. Mais dis donc, toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé, ma chère. Moi, je fais ma lessive tous les deux mois. Vêtements, serviettes, draps, tout, tout, tout quoi. Et il faut dans deux mois encore. <laughs> Et tu t'es dit coquette. Hum... Laisse-moi te dire, voisine. Nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules, jusqu'à dans nos maisons. Et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude rouge, violet, orange, on ne voit rien, même s'ils sont sales. <laughs> Kazama, tu veux tromper qui Écoute, les particules de poussière s'accumulent très rapidement et polluent nos maisons. Et attendre trop longtemps avant de changer notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies Mais c'est sérieux ce que tu me dis là Bien sûr. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer peut vous causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons-là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes. Il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs, noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. Deux ou trois fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. <laughs> si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi. Hein. Et surtout, ne va rien raconter à mes belles-sœurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là, tu as intérêt, hein Merci aux femmes du studio Kalangu pour ces moments de conseil et nous allons tout doucement, Olivier, vers la fin du rendez-vous de ce jour. Bien évidemment, eh bien, on ne peut pas justement terminer ce rendez-vous sans pour autant bah, aller à la rencontre de nos auditrices et auditeurs. Chers amis auditrices et auditeurs, vous le savez, dans l'émission Le Niger sur Kalangou, il y a cette minute spéciale pour vous, une minute dans laquelle on vous écoute, vous nous dites en toute tranquillité ce que vous pensez, ce que vous voulez de l'émission Le Niger sur Kalangou. sunana Mamman Dauda ɗaya eh, mamba na radio na Afirka. To a gaskiya shirye studio Kalangu suna ƙayatar da ni sosai sosai musamman ma shirin su na mun haɗu a fada wanda suke yi ga matasa gaskiya shirin nan yana ƙayatar da ni kuma ba na bari ya bar ni. To mu dai shawara ɗaya ce muke so mu ba su akan tunda su suna aiki da yanar gizo-gizo suna wallafa duka abubuwan da suka yi a shafinsu na Facebook. A Facebook ma muna tare da su. Kiranmu da su muna Afirka musamman ma nan Nijar matasa sun fi amfani da harshen Hausa. Ya kamata a ce idan za su dinga yin post su dinga yin na Hausa za su gani yanda za a dinga bibiyar su ɗari bisa ɗari kamar yanda su BBC ake su doce bala za su gani. Muna musu fatan alkhairi muna kuma fatan za su ci gaba da shirye-shirye wanda suka fi wannan ma. Kuma wannan shirin da suka fi na kwanan nan ma Wannan shirin shi ma yana yi sosai sosai. Daga ƙarshe ina gaida dukkan ma'aikatan Radiyo Studio Kalangu da ma'aikatan gidajen radiyyika na Nijar baki ɗaya. Akwai abokina mutar Basiru wanda yake gidan Radiyo Shukura Zandar. Akwai babban daraktan nasu Ali Keta. Ina gaida abokina Babaye Gambo. Akwai Babaye Lefe. Ina gaida. 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka na jamila studio kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake wayan muna da kai na dangin rayuwa da bidan incin kanmu gaskiya muna farin ciki da shiya muna jin daɗi saboda mu abin nan da an ka buɗa kawai abin gana an kai mana kawai ci gaba na mata ana samu cikin sashi ana tunuwa da mu ana waye mana kai gaskiya muna jin daɗi ne gaskiya saboda ci gaban mana sunana muhammad nazir masaud abdulkarim bidiyo kalangu dai muna muna mata fatan alkhairi sai dai mu ce daga cikin shirye-shirye da suke akwai shirin na wanda ake kamar bayyana batu na basa fada ana yawan tattaunawa a basa kan abin da yake rayuwar mu ta yanzu eh to gaskiya wannan shirin yana da kyau a ƙara kaimun shi kenan saboda Ko'ina cikin ƙasa a rinka jin shi duk da ma dai suna da shirye-shirye masu kyau ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma Isma'ila Alhaji eh, Isahak. Kuna magana da Ahmadu Mafi Mushkila. Eh wannan shirye-shirye na gidan radiyo wannan mai albarka Ubangiji Allah ya yabƙaƙa shi muna jin daɗi sosai sosai. Alheri ne Allah ya ƙara ɗaukaka shi da wanda suka yi tsaye a kan shi Allah ya ɗaukaka su. Ina gaida duka jama'a kowa da kowa. Merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont laissé des messages. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est le moment pour nous bah, de prendre connaissance du mot du jour. Le mot du jour, c'est quoi Oui, Olivier, actualité oblige, on parlera de l'eau. Effectivement, euh, l'eau, selon le dictionnaire Larousse, est un corps liquide, incolore, inodore et sans saveur, transparent sous faible épaisseur, mais quand il y a beaucoup d'eau, elle est de couleur vert bleu et l'eau est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène. Et tout ce qu'on peut dire, c'est l'eau, bah, c'est la vie. On va garder ça pour euh, une prochaine fois, pour beaucoup plus de développement. Nous sommes tellement coincés par le temps que nous sommes obligés de retrouver Nafissa Adamou s'il faut pour les titres du soir. Effectivement, Olivier, l'édition de 17h parlera d'abord de la célébration ce 22 mars de la journée mondiale de l'eau sous le thème Soyez le changement que vous voudriez pour le monde. Il s'agit donc d'accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. À 17h également, vous, vous entendrez un membre du Rotab qui parle de la pollution de l'eau et des risques de contamination de la radioactivité à Arlit. Enfin, le magazine de ce journal, vous entendrez le témoignage d'un déplacé interne du département de Banquilaré sous la cohabitation avec les autres communautés. Rendez-vous à 17h. Rendez-vous à 17h, rendez-vous à prix. J'espère pareil chez vous, chers amis auditrices et auditeurs. Nous sommes arrivés à la gare, tout le monde descend. C'est la fin de notre aventure de ce jour. Pour le mois de Ramadan, nous souhaitons un bon début de jeûne à toute la communauté musulmane. Rendez-vous demain avec notre autre duo. Quant à nous, on vous donne rendez-vous le vendredi.